Not al'ada ku da warhaka barkan da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku wanda a yau ni fanta shamsu ni gabatar yau a cikin fadar ta mun dauko muku wani jigo ke concerne certainement beaucoup d'entre nous les peines de coeur et on va voir comment les jeunes vivent les déceptions amoureuses duk da yake ba sosai ake bai wannan zancen muhimmanci ici dans nos sociétés amma matsala ce wacce lalle akwai ta puisque ce problème a même suscité des recherches et des études par exemple l'une des plus récentes est celle menée par une équipe de scientifiques de l'université de Aberdeen c'est au Royaume-Uni et elle a été publiée par le journal américain Le Jays, qui parle des maladies cardiaques. Et l'étude stupide que le Broken Heart Syndrome, ou littéralement le syndrome du cœur brisé, il laisse en fait des cicatrices que même le temps n'arrive pas à effacer. Donc, euh, dans notre cadre aujourd'hui, on va voir comment les jeunes vivent leur chagrin d'amour ici. anyama sai kungiyar biyo hirar da ta a cikin wannan shirin namu na haɗa fada wato tusa la fada. Exchange music chronic rubric lotu an 35 minutes. masauraran yau mun yada zango ne a filin shakatawar nan da ke kusan tsohuwar kasuwar jamage wato guntiyena domin tattauna kan shigon namu na yau kuma lesion vive les deception amoureuse ya matasa ke fama da ciwon soko ciwon rabuwa da masoyi yau muna tare da manyan baki a fadar tamu je vais vous laisser chacun va se présenter on commence par la jeune dame <laughs> D'accord, tout d'abord, euh, merci euh, pour l'invitation. Euh, je me présente Zara, plus connue sur le nom de Zaza Mimosa bienvenue dans notre Zaza. Merci. On continue. Bonjour, moi c'est Babs Magaji, écrivain chroniqueur. Voilà. Bonjour, c'est Ahmed Bari, entrepreneur et formateur. Euh, quant à moi, je suis Taré Dauda, euh, entrepreneur et activiste. Quant à moi, c'est Maru Yakuba Mahmoudou. Je suis technicien dans le domaine de l'électricité, surtout en haute tension. Ok, bienvenue dans Tous à la FADA. Nous allons d'abord commencer avec nos questions. En réalité, qu'est-ce que vous vous entendez par déception amoureuse Ahmed, on commence par toi. Qu'est-ce qu'une déception amoureuse Alors, euh, une déception amoureuse, c'est tout simplement lorsque une personne ne répond pas aux attentes que nous avions vis-à-vis d'elle-même par rapport à une circonstance donnée. Quand on aime quelqu'un par défaut, on a tendance à attendre d'elle qu'elle ait tel comportement, qu'elle nous fasse ceci, qu'elle nous fasse cela, qu'elle ne fasse pas ceci, qu'elle ne fasse pas cela. On a une liste en fait d'attentes qu'on établit dans notre tête. Souvent, on l'en informe pas. Et c'est lorsque la personne adopte un comportement qui est contraire à ces attentes-là qu'on parle de déception amoureuse. Et vous, Tarek, comment vous définissez les déceptions amoureuses Le goumen, tout simplement, comme disent vous les savez, euh, le goumen que vous voyez, c'est-à-dire ça dépend de la situation dans laquelle tu le trouves. Donc euh, la définition peut être très complexe, mais quand même c'est comme euh, Barry vient de le dire et je la considère comme euh, une définition standard, c'est quand une personne ne répond pas effectivement à tes attentes sentimentales. Et Zaza, Zaza, comment tu peux définir le goût kwana uku ça fait vraiment mal. Donc moi je me dis que pour moi c'est oui alors bah, déjà, comment tu définis le gourmet euh, le gourmet, pour moi, c'est plus profond qu'une déception amoureuse, en fait. En fait, c'est quand vous avez trop mis les organes, en fait. Voilà. Et Tara Yanzu, Tara, à ton avis, est-ce qu'il y a plusieurs types de gourmet Iri Iri Nema. waɗanne iri ne kai ka sani da yawa kuma da Parce que là, là, nous sommes dans un monde un peu, un peu compliqué n'est-ce pas, les relations sont basées sur euh, beaucoup de choses. Chacun a sa façon de concevoir, sa façon de, faire une relation amoureuse, mhm. n'est-ce pas, et de la façon dont vivre dans un couple. Le plus haut gourmet, là, c'est le gourmand pro-max, comme il vient de le dire. Lui, là, c'est la rupture subite, absolue, sans raison, pendant que vous êtes en train de vivre euh, le paradis sur terre un bon matin, on te dit que c'est fini, sans, pour autant qu'on te donne une raison valable. <laughs> Ça, c'est le Promax. Parce que tu, tu vas devenir un fou temporaire, tu vas être déboussolé, donc voilà, beaucoup de choses comme ça qui. Dans les je sais, parlant de vécu, on va écouter, parce qu'on donne la parole aussi à nos auditeurs. On va écouter quelques auditeurs qui nous ont raconté comment, comment leurs gourmands se sont passés. au de la journée. après foro lali dikul imagine da bararan mu te girhin ka girhi girhin zaran gocar bande take bara mu ko gin fini ko gin gahi ga tiran gufo ko no kan no giye gu doru asini se ka taini mu statue wal mon chorfo wal ni hayo yakin dai ma chini se he filan ma kan ni arso dungo hi wala gumen fono ba wani. Zazan kin ji yanda wasu kannanmu suka bamu labarin nasu biki. Na ba ma ma ba yanzu 3 semaine. Na so shi saboda Allah da Annabi. Ba abun da bai mushi a duniya ba. Kudi ma ni nake doka ina ba shi wa. Amma yau sati uku ya doki hanyar shi ya yi bloke na. Babu gaira ba dalili za. Na sai da Allah. Ni saboda <laughs> shi ma yau nace muke na si ne ma soyayya. Ahmed Barry. toi, à ton avis, il y a combien de types de gourmets et quels sont les types de gourmets que tu connais Aïe, bon, type de Goumins, ça, j'ai jamais réfléchi à cette question-là parce que, disons, ils se manifestent différemment. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul type, c'est Goumins égale gourmets. Il y a des personnes quand quelqu'un a une énergie trop forte et qu'il est déçu, il a tendance à péter les plombs. Quand quelqu'un a une énergie très faible de, nature et qu'il a un goumin, il a tendance à pleurer et être dépressif. Quand tu as une énergie moyenne et que tu as un goumin, là maintenant tu deviens en Tu, es, tu es bien, tu n'es pas bien, un truc comme ça. Donc le goumin, il est le même, mais il se manifeste différemment chez les gens. Donc je pense pas qu'il y ait plusieurs types, mais je pense qu'il y a différents types de personnes et donc ils ne vivent pas la même chose de la, même façon. Et Fredo, Fredo, dis-moi, toi, est-ce que à ton avis, il y a des signes préventifs Est-ce qu'il y a des, comment en quoi ça Ah oui, bien sûr, ça se manifeste très souvent, surtout de nos jours. Et comment ça se manifeste alors Bon, souvent quand vous, êtes trop rapproché par les écrits, bien par les visites, donc euh, et les considérations aussi diminuent. Donc euh, souvent, c'est vrai, on voit ces signes-là, mais on s'entête et on essaie de continuer. Jusqu'au jour où on vous la jette sur la face, quoi. Ah et toi, est-ce que tu peux nous citer quelques signes préventifs franchement, il y a plusieurs signes tout le temps. Quand euh, L'amour diminue, genre les sentiments quand ça diminue dans une relation, on les voit venir. Quand il y a le manque de respect, on sent que il y a quelque chose qui s'annonce. Si tu es assez intelligent ou bien si tu es assez fort, tu vas te dire, ok, euh, on va faire table rase, je vais partir. Mais si tu n'es pas assez intelligent, tu vas te dire, je vais essayer de voir ce que je vais faire. Mais quand on ne t'aime pas toi tu sais que vraiment, c'est fini quoi. c'est-à-dire dans une relation on se fixe des objectifs. L'autre, c'est pour euh, consommer et passer. Et les autres, c'est pour euh, aboutir vraiment à... En tout cas, il y a, un but précis qui est là. Donc, si ton but n'est pas de prendre, je parle moi hein, en tant qu'homme, si ton but n'est pas de prendre la fille en mariage, tu es déjà psychologiquement prêt que c'est-à-dire cette rupture peut venir à tout moment. Donc alors, euh, je pense que le plus grand c'est celui du mariage. Franchement, si tu si tu as un programme de mariage avec une personne, et que tu apprennes que cette personne-là s'est fiancée sans pour au préalable t'informer, c'est le gouvernement de haut niveau ça. Ahmed, je, reviens vers toi. Donc, Ahmed, toi, ton avis, les filles ou les garçons, qui est le plus susceptible à recevoir des, des, déceptions amoureuses non, Il faut déjà commencer par euh, nuancer les choses. faut pas, genre, euh, classifier que les femmes sont plus sensibles. Les hommes, c'est que comme ils sont censés être hommes, ils ne montrent pas, c'est tout. Mais il n'y a pas de euh, en souffre plus que d'autres. Tout le monde en souffre et c'est la même chose pour tout le monde. C'est juste le corps qui est homme ou femme. Au niveau de l'âme ou de l'esprit, il n'y a pas de sexe. Donc, euh, tout le monde en souffre. Mais c'est que comme les hommes, on, est, on aime dire qu'on est fort, on aime montrer qu'on est fort. Donc même quand le gars traîne ça pendant un an, il montre pas ça. Mais les deux sont susceptibles. Et pour info, ce n'est pas sorcier, les hommes sont plus sensibles que les femmes. De nature, c'est comme ça. Ah. les hommes. Les hommes ce sont plus sensibles que les femmes. Ah, ça, suis pas d'accord. Mais les hommes ne montrent pas ça parce qu'ils doivent rester hommes, hein, comme on, comme on dit. Ils doivent montrer le fort, ils doivent se montrer balèzes, donc ils ne montrent pas. Mais c'est montré. Les hommes sont plus sensibles que les femmes. Donc c'est pas une question de qui est le plus susceptible de, de, de ressentir ça, mais quelle catégorie de personnes qu'elle soit homme ou femme, et plus c'est de, ressentir ça. Si quelqu'un, toute sa vie, elle a été, euh, disons, entre griffes dessus, donc elle est plus enclin à manifester de la déception. C'est comme un entraînement. Donc euh, si quelqu'un à toute sa vie n'a pas été déçu, toute sa vie a eu ce qu'il veut et qu'on le déçoit, lui il souffre plus que celui qui a été déçu, qui est habitué. Parce qu'on on, est, habitué à ça. Mais <laughs> lorsque tu ne connais pas la chose et qu'elle vient, là ça te fait mal. Et ça, que tu sois homme ou femme, je suis désolé, c'est la même chose. Hein. Est-ce que tu es ah, d'accord que les gens sont plus sensibles Non, je je suis pas d'accord parce que moi je me dis que wallahi ko ni kai namiji ne ko kai mace ne akwai ciwo sai dai in baka so mace ma ko baki so namijin ba amma in fi bila ka so mutum wallahi abun na maka ciwo ka shiga press in semaine deux semaine baka cin abinci kana cikin kuka a ma in ka shiga message in shi in kai verify kai lire tu te font en larmes tu pleures et tu ne vas pas manger aussi donc je me dis que si toi l'homme ça, ça te fait pas mal bai maka ciwo bai maka ko sai ka dire que dole da bai ma yarinya baka ma son ka samu abun da kake so gare ta tu as pris ton chemin To kai mu ci gaba masu sauraron mu bar mu shaye mu baiwa Dondi Fili avec sa rubrique l'artiste s'exprime. Dandy la machine de souhaite la bienvenue. Jonel, ça va J'espère que tu vas bien. Ça va très très bien. d'ici, mais kati Jonel Jina, halbarga kandis la Donc Jonel, c'est un nom, l'oncle et le neveu, parce que mon oncle s'appelle John. Et euh, il disait à ses amis que lui, c'est mes ailes. Et ses amis donc m'ont surnommé les ailes de John. Elle John, elle John et Jonel, plus tard. Oh. Sinon à l'état civil c'est Hamani Himukasum. Voilà. Super. Jonel, tu as commencé à croire au slam en quelle année Waouh Je ne peux pas situer l'année exactement, mais je peux surtout situer un événement qui était filmant, qui s'est passé à la Pulu. C'était là que ça commençait vraiment pour moi. Parce que quand j'ai dit un premier texte, puis un deuxième, les gens ont voulu assez que je continue dans ce sens-là. Et mieux encore, c'est que ça peut bien marcher au Niger parce que on est euh, d'une tradition orale où la parole a une place importante dans la société euh, nigérienne. On a eu un peu tes débuts sur cette émission. Alors aujourd'hui, nous voudrons euh, soulever aussi ces difficultés que l'artiste a rencontrées pendant sa carrière jusqu'aujourd'hui Alors, il faut savoir que le début c'était assez difficile parce que les gens ne comprenaient pas déjà. Je faisais beaucoup plus de scènes aussi en public, en plein air, des trucs comme ça. Et donc, les gens, ils voyaient un peu euh, cette folie, mais euh, c'est quoi ça Qu'est-ce qu'ils racontent et tout euh, C'est de la folie et tout. Petit à petit, les gens commençaient à s'intéresser. Quand les gens y passent, par exemple, même devant le collège et lycée Mariamont et tout ça. Donc, il y a eu énormément des endroits comme ça où je m'arrêtais et je déclamais des textes. Les gens commençaient petit à petit à s'intéresser, à s'arrêter et écouter le message. Peu à peu, ça commençait à apprendre de l'ampleur, les gens se disent Ah ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est intéressant, et c'est parti comme ça. Parlons de griot Qu'est-ce que tu entends par griot moderne Parce que je on t'appelle Jonel, griot moderne. Exactement. Ce que j'entends par là, parce qu'on ne devient pas griot, on est griot. Mais comme moi, je suis attaché à cette parole des griots qui est en train de s'éteindre, à ces griots généalogistes qu'on n'a plus aujourd'hui au Niger, je me dis non, je dois prendre cette place-là, que les griots l'acceptent ou pas, même si on ne va pas m'appeler griot parce que je ne suis pas né griot, je peux ajouter juste le moderne et je deviens un griot moderne. Jonel, nous sommes à la fin de la première partie. Jonel, a-t-il un mot, un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne Alors, ce que j'ai à dire à la jeunesse nigérienne, voire plus loin la jeunesse africaine, c'est d'être digne. La dignité, nos pères l'ont chanté pendant longtemps. L'intégrité, nos pères l'ont chanté également pendant des années. Je pense qu'il faut être digne et solide pour avoir les pieds sur terre et faire face à ce monde-là. Parce que on ne peut apporter un changement si on n'est pas digne, on n'est pas intègre et qu'on n'est pas sûr d'avoir ses pieds sur terre. Sinon, on se laisse facilement aller dans la facilité donc, la corruption, tout ce qui est facilité, parce que la dignité et la fidélité, c'est d'abord sa parole donnée, comme on dit. C'est pour ça qu'on essaye aussi de reprendre ces guerriers-là, parce que la parole d'un homme, d'un homme doit être une parole solide, une parole à laquelle on reconnaît une personne. Quand tu donnes ta parole, tu donnes ta parole, tu assumes, tu vas jusqu'au bout. Et donc c'est de tout ça dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ramène aussi l'histoire et tout ça pour intéresser les jeunes. J'espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Ainsi parle le griot moderne. Merci Dondi. Bari mu kuma cikin shirin namu inda muke tattaunawa yau akan les peines de cœur, déception amoureuse et voir comment les jeunes vivent leur déception amoureuse. Tare nous sommes avec Zaza Mimosa, influenceuse avec Babs Magaji, le chroniqueur web, Ahmed Bari, coach de vie. Nous sommes avec Tarei et avec Mamadou que tout le monde connaît sous Fredo. Donc on va continuer avec nos questions. Et Ahmed, cette question est pour toi. Il n'est pas rare de voir ici des amis, des proches après des déceptions amoureuses se moquer des victimes. Est-ce que tu trouves que c'est normal Est-ce qu'on doit se moquer Non. Ou bien c'est une sorte de thérapie pour aider la personne Non, c'est pas une thérapie. Quelqu'un ne peut pas souffrir, tu te moques, tu dis que tu l'aides c'est pas pas très intelligent. En fait, il faut aussi comprendre une chose, on ne peut aider quelqu'un que, l'on comprend. Donc quand tu souffres et que quelqu'un se moque de toi, c'est qu'il ne comprend pas ce que tu ressens. Donc ce n'est pas faut pas aussi l'accuser en fait, dire qu'il t'aime pas ou bien il, veut ton malheur. Il se peut qu'il ne comprenne pas. Si tu, n'as jamais été déçu comme il a été déçu, tu peux pas comprendre ce qu'il ressent. Les gens disent que je te comprends, mais souvent ce que ça veut dire c'est je comprends ce que je ressens par rapport à toi. C'est pas je te comprends. Parce que si je te comprends, c'est que je ressens ce que tu ressens. Donc lorsque quelqu'un est, en dépression ou bien quelqu'un souffre, quand on se moque de lui, on l'aide pas. Ça c'est vrai, on l'aide pas. Mais il faut aussi comprendre qu'on l'aide à la limite de la compréhension qu'on a de ce qu'il ressent. Par exemple, lorsqu'on écoute Zaza, pour que quelqu'un puisse l'aider, il faut quelqu'un qui comprend ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui a été déçu à un niveau 1 ne peut pas comprendre quelqu'un qui est déçu à un niveau 10, par exemple. est-ce que tu es d'accord avec ce que Ahmed, Ahmed dit qu'on ne doit pas se moquer quand une personne vit sa déception amoureuse bah Entre potes, entre amis, entre proches. Euh, ça dépend en fait. Ça dépend. Vous savez, parfois, les gens ne, quand les gens ne voient pas. Euh, les gens voient sur les réseaux sociaux ce que vous faites. Je prends juste un exemple. Ils vont se penser que c'est votre réalité et tout. Moi, récemment, il y a un de mes amis, genre sa copine, on lui a amené une dot. J'ai rigolé, j'ai même pris une vidéo, j'ai posté sur les réseaux. Les gens ont pensé qu'on était en train de rigoler de lui, alors que lui-même, franchement, de son côté, il est en train de préparer son mariage. Nous, ses amis proches, on sait ça. On n'a pas besoin de venir exposer sur les réseaux pour dire que c'est. C'est un double en fait. La fille voulait lui donner, il voulait donner à la fille. La fille a compris vite, elle a dit à celui qui est à côté, amène ton argent vite fait. Donc c'est un match nul. <laughs> Voilà. C'est pas une sorte de genre, on est en train de rigoler. Quelque part, peut-être on est en train de, rigoler pour expliquer à la fille que ça nous a pas fait mal, nous les amis du gars. C'est pas qu'on est en train de rigoler du problème. Il sait jamais bien de rigoler du problème. et toi, ton avis, est-ce qu'on doit se moquer Ou bien c'est normal de se moquer d'une personne qui vit son chagrin d'amour du moment où on sait que c'est pas honnête, c'est-à-dire la relation elle-même n'a pas été fondée sur la base d'une certaine honnêteté, on se moque parce qu'on sait qu'il on sait objectivement qu'il ne sait rien. On sait qu'il ne sait rien. L'exemple que Babs vient de donner, lui, il est en train de préparer son mariage à côté. La fille ne sait pas. La fille a compris, elle a pris une autre Il y a quoi C'est que lui, ça doit lui faire mal. Il va faire les deux en même temps. Donc, c'est-à-dire, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut mettre sur la table, en fait. Si la personne est dans une relation sérieuse, profonde, n'est-ce pas Et à l'issue de laquelle il attend, c'est-à-dire un résultat définitif pour toute sa vie, et qu'il apprenne que cette relation n'est plus possible, là, il y a un gourmet sérieux qui est là. Honnête, tu peux compatir. Mais dans ce cas de figure, <laughs> je rigole. <laughs> C'est un soulagement. <laughs> C'est même un soulagement. On n'a pas tous le même par choc mental. On ne conçoit pas les choses de la même façon. On ne supporte pas les choses de la même façon. Mais je te dis, le goumen ne fait plus mal à personne. Je te jure, parce qu'à 80%, les relations sont fondées sur la fausseté. Non, il ne faut pas jurer. Ah, j'ai dit 80%. 80%, j'ai dit, c'est une estimation que j'ai une étude ah, Je te dis, je vous informe, on connaît, on drague à trop et à travers, matin, midi, soir. On te donne Goumen, aujourd'hui, demain, tu vas attaquer notre. Tu as déjà oublié l'autre. Donc, Merci ah, est-ce que tu penses qu'on doit se moquer ou pas Ou on doit prendre ça au sérieux bon, l'un dans l'autre, Naturellement, quand, quand, quand son ami prend un gourmand ou bien un grand chagrin d'amour, normalement le bon sens vit à ce qu'il faut le soutenir, il faut l'aider à vraiment essayer de surmonter cette, cette épreuve. Quoi. De l'autre côté aussi, souvent quand tu es prévenu par tes amis et que là, là où tu veux t'enfoncer, ce n'est pas, ce n'est pas bon pour toi et que tu as été prévenu d'avance, souvent ils, ils, peuvent, ils peuvent se moquer de toi quoi. Pour dire que non, tu les as pas écoutés et que voilà au final c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment, je pense bien que c'est un problème il un faut pas sérieux. Se oui, oui, Donc il ne pas se manquer. Donc euh, c'est comment tambayoyin muke karba daga masu sauraron mu. Et vous savez comprendre les questions d'auditeurs aussi sur notre fada. Yo tambayar tam ta fito ne daga nan babban birnin on va écouter. Bonjour, je m'appelle Khadija. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on ressent après avoir reçu un gourmet et est-il normal de déprimer après avoir eu une déception amoureuse. Ahmed, qu'est-ce que tu, tu, peux répondre à notre auditrice Khadija alors, euh, c'est surtout la deuxième partie de la question qui, qui est intéressante. Elle parle de dépression. Il faut surtout d'abord comprendre ce qu'est une dépression. Dépression, c'est dépression, c'est lâcher la pression. Et lâcher la pression veut dire arrêter de faire des efforts, arrêter de rien faire en fait, et être là comme ça, comme un, comme un poteau. Et ce qui fait ça en fait, c'est quand, bon, lui il parle de pare-choc mental, je pars dans son sens, donc c'est le, quand le volant mental, <laughs> entre griffes comme la vie est une aventure, tu voyages de part à d'autre, mais il y a des moments où ton, disons, ta perception des choses est calée elle est euh, entre griffes bloquée. Et lorsque tu as aimé une personne assez longtemps et que tu as eu des attentes, tu as eu des expériences, et que du jour au lendemain, cette euh, attente et ces expériences sont brisées, ça peut affecter ta façon de shifter ta perception. Et donc, lorsque ce que tu regardes était beau et que maintenant c'est brisé, c'est laid, et que tout le temps tu vois cela, c'est ça qui fait une dépression. Je prends un exemple. Nous tous, on a en mémoire un film qu'on a regardé, qu'on a détesté et que même si on va te payer, tu vas pas le regarder à nouveau. Alors imaginez quelqu'un qui, chaque jour qu'il va au ciné, il paye son argent pour voir le film qu'il n'aime pas. Sauf que dans l'esprit, il y a un film qui tourne tout le temps. Et la dépression, c'est quand le film que tu n'apprécies pas continue de jouer, continue de jouer, continue de jouer. Tu n'aimes pas le film, mais c'est lui qui joue. Et donc, c'est pas le mode de déprimer parce que tout simplement, euh, Dieu ayant bien fait les choses, on a cette liberté de choisir, ce qu'on appelle libre arbitre. Mais la, disons, la déception peut être tellement forte que ça te prive de ce pouvoir de choisir. Et c'est là où la dépression s'installe. Et quand elle s'installe, plus elle dure, plus ça peut porter atteinte à ta santé. Ce qui veut dire que ce n'est pas normal de déprimer. Bon, peut-être on peut dire que c'est normal quand c'est un peu fort. Mais je parle de ce pas normal parce que ça ne devrait pas arriver vu que ça ne nous arrange pas. La chose importante à comprendre, c'est que euh, c'est vrai c'est compliqué à faire, mais il faut apprendre à tourner la page. Parce qu'en fait, euh, la raison pour laquelle euh, des gens peuvent parler de leur passé qui les a fait mal, c'est parce qu'ils ont tourné la page. Si ton passé te fait encore mal, c'est que tu ne l'as pas encore réglé. Que Donc en conclusion, Ahmed, est-ce que c'est normal de déprimer Normal, normal, dans... non, je pense pas. Mais normal dans le le sens où ça fait tellement mal que ça peut amener à, des pleurs, tout ça, c'est normal. Mais normal dans le sens où ça devrait arriver, non, je pense pas. C'est pas normal. Ok, tarrêtes toi qu'est-ce que tu, tu, vas répondre à notre jeune soeur qui nous a envoyé elle demande si la dépression dans un cas de Goumen, est normale. Donc, je vais aller un peu dans le sens que ce qu'a dit Barry. Euh, en réalité, si tu as consacré toute ton énergie, n'est-ce pas, toutes tes réflexions, tout ce que tu as, tu donnes tout dans une relation, parce que pour toi, c'est la bonne, et que ça doit aboutir à quelque chose de concret et qu'un bon matin, tu te réveilles euh, sans rien, tout est parti euh, comme de la fumée et sans aucune perspective, n'est-ce pas, de réparer cette dernière. Je pense que oui, mais ça dépend de la personne, ça dépend de, ton parcours mental, bien sûr, de la façon dont tu gères les frustrations, n'est-ce pas, et des, des traumatismes qui peuvent venir à tout moment, donc des éventuels traumatismes. Pour une personne normale, qui maîtrise un peu la dialectique des choses, le bien et le mal, et que toute chose peut finir à tout moment. Une personne qui a déjà cette conception en tête, la dépression n'est pas normale. Il va juste se relever et dire que bon, c'est pas la bonne personne, ou bien c'est pas vraiment le bon moment, et continuer à chercher le meilleur. Ok, Zaza, que est Eske kan a lokar brise, eske ya kamata a ce ya hana ki ki sake hadawa a cikin wata sabuwar soyayya? Moi je sais une chose que euh, tout est une question du destin. Donc yau in an ce kai shekara biyu uku biyar da na sarmai, eh ki a kwana a tashi ya hita harka ya ta ya arme wani wuri sai ki bai dake tun dama ba mijinki bane ba. To Allah sai ya ka miki wani da ya yi shi. Me yanzu a duniya ga da muke yanzu a kwana a tashi maza duka sun zama dai. Cikin su dai ne kana kwashe kwashen ki kina kwashe kan sai ki sake hado bisa na gari. Wala Donc, euh, ce que je peux dire, ce que je peux la conseiller, que quand tu décides de sortir avec quelqu'un, accepte-le. Accepte-le comme il est. Donc, aujourd'hui, si vous n'êtes plus ensemble, demain, un autre va venir, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne personne. Déjà, Dieu a dit qu'il sera destiné à être ton mari. Donc, voilà. Donc, le gourmand en tant que tel, euh, ça fait mal avec qui que ce soit et dans n'importe quel genre de relation. Babs, à toi. Babs, est-ce que tu penses que à force de subir des chagrins d'amour, est-ce que les personnes peuvent changer d'orientation, je sais pas, religieuse, sexuelle ou peu importe Non, franchement, euh, c'est seulement quand la personne sait que de loin, elle avait ses orientations enfuies en elle. Parce que des coups, si on ne meurt pas, chaque jour, on va en recevoir. On ne peut pas être immunisé contre les coups. Peut-être qu'il faut juste savoir amortir ces coups. Il faut faire un travail sur soi. C'est pas parce qu'on a eu tellement de gourmands qu'on va dire, euh, une femme va dire aujourd'hui, j'ai reçu tellement de des hommes, je vais décider d'être une, femme qui aime les femmes. C'est bizarre tout de même. Après, c'est tes sentiments tu mets devant. Dieu, qu'est-ce que tu en fais Parce que si tu crois que tu es humaine, ça veut dire que quelque part tu crois à l'existence de Dieu. Il ne faut pas aussi mettre les sentiments devant et faire des bêtises sous prétexte que c'est parce qu'il y a eu Goumen et autres. Et je reviens vers toi, Fredo. Fredo, est-ce que toi, à ton avis, le Goumen doit empêcher de mener une personne à nouveau Non, je ne pense pas, puisque c'est comme mes prédécesseurs l'ont dit. Et les coups bas de la vie, on ne cesse jamais de les acquérir. Donc euh, à force de faire et à force de prendre les, à force de prendre les coups et on essaie de prendre de l'expérience et essayer de réfléchir davantage sur la vie quoi. Donc euh, dorénavant de, de réfléchir avant de s'engager, bien d'être euh, clair quand on veut s'engager dans une relation quoi. Café mu Babar, avec son single Maladie d'amour en pause musicale. Quand ça nous pique, quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, la dilaïe. On a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on s'est s'emporter par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, la dilaïe. ah, eh, content, Amis de la FADA, nous dans notre émission Tous à la fade avec notre sujet du jour, les peines du cœur et voir comment les jeunes vivent les déceptions amoureuses. On en parle avec nos invités sur cette fada d'aujourd'hui. Nous sommes avec Zaza Mimosa, Babs Magaji, Ahmed Bari, Tarey et Fredou. Donc, on va continuer avec nos questions. Donc, à part tout ce qu'on a cité, est-ce que vous avez, je sais pas, des vécus à partager avec nous, de, des vécus de Goumen Zaza. Wallahi kai ni dai na ga Allah shekarar ga. Ba a majima ba yau kwana uku mai na wani tsohon mai na ya kira na ya ce mini ya kai sadakin shi in yahe mishi. Na ce ni. Haka kawai. Haka kawai wa ya kai sadakin shi. Ya ce Allah wajen Allah ne to deja kuma ni da shi ne muka zamna muka yi zancen valise muka yi zancen komi a kwana a tashi a kwana ta sai na ga istaci. Eh sai na ga bis istaci an sa vive mal le grand jour. Sai shekarar ina zamna ya kira deja na yi bloken shi. Ya ce min to to da Allah in yahe mishi nace ni mi muza in yahe maka nace wallahi sai dai duniya ta ne da bana yahe maka ba parce que vraiment mais ça dis-moi comment comment tu as géré ça Comment tu as géré mais comment est-ce que je peux gérer Ça fait, Avec, mal ça fait mal. Non, au début ça me faisait mal, mais maintenant j'ai plus mal. Façon dont j'ai souffert quelqu'un avec qui je cause H24, 4h, 5h, 6h du matin et à ma grande surprise, tu amènes ta droite ailleurs. Bon, Ahmed, qu'est-ce que tu euh, conseillerais à nos frères et sœurs qui, vivent actuellement le gouvernement Comment le gérer Bon, ce que je peux dire peut être choquant, parce que j'ai l'habitude de choquer les gens. Le gouvernement fait mal. La rupture fait mal, je suis désolé, mais c'est quand tu, tu, aimais l'autre plus que toi. Je ça, va, ça va être choquant. Mais quelqu'un te quitte, tu as mal, c'est quand tu l'aimes plus que tu ne t'aimes. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est quand tu l'aimes plus que tu ne t'aimes, tu attendais qu'il te rende heureux, qu'il t'apporte plus. Je prends un exemple très simple. Si tu gagnes 1 million par mois et que passagèrement, de façon passagère, tu fais un truc et je te paye 50 000 mois et que je coupe le contrat, limite, ça peut te piquer un peu, mais ça te fera pas mal. Mais si tu gagnes 50 000 mois et que je t'embauche pour un contrat de 500 000 mois et que je te fais taper, là, ça te fait mal. C'est la même chose. Donc, la rupture va te faire mal, ça veut dire que tu l'aimais plus que toi. Donc, quand tu es dans Goumen, tu dois t'asseoir, te dire, ok, j'ai mal, c'est parce que j'attendais de lui plus que j'attends de moi. C'est pour ça que j'ai mal. Et lorsque tu dépasses ce niveau, je suis désolé, on te quitte, ça va te choquer, ça va te piquer. Mais ça, tu, ne seras pas dépressif, anoxérique, promax, tout ce qu'il vient de, citer là. Ça veut dire que prochainement, si je rencontre quelqu'un, je ne vais pas commettre la même erreur. Et eh, toi, est-ce que tu as déjà vécu un gourmet et comment tu l'as géré personnellement Non, il n'y a pas quelqu'un. Ici, nous sommes tous des vétérans. Hein, je crois. Ici, à nos actifs, quand on te dit le nombre de gourmands que nous avons gérés, je crois que... Euh, je te jure, c'est quelque chose qui est devenu quelque chose de vulgaire. Le goumet, c'est vulgaire parce que tout le monde drague n'importe comment dans tous les sens. Donc le goumet est certain. <laughs> Donc, jour où... comment tu as géré ta multitude de goumets Ma multitude, en fait, je me remets en question. Quand il y a un goumet, je me remets moi-même en question. Est-ce que je ne suis pas la source de ce goumet-là Qu'est-ce que moi je fais et que cette situation arrive Tu sais, dans toute situation, il faut être honnête et objectif et voir les choses dans tous les deux côtés. Est-ce que tu vois Toi, qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu as d'une façon ou d'une autre contribué à ce que ce Gomel-là soit Avant d'aller sur le terrain de bataille où tu as rencontré le Gomel-là, est-ce que tu savais d'avance que le Gomel allait, allait sortir dedans <laughs> Donc, c'est tout ce Est-ce qu'on peut savoir d'avance Bien sûr. Toi-même, tu sais qu'il y a là où, quand tu vas aller là, tu sais que c'est pas possible. Toi-même, tu sais. Donc, pourquoi on va parler de Goumen Tu allais, c'est-à-dire, c'est comme tu, tu, tu, tu, tu, tu es Hausa, tu pars en Chine, et tu dis que tu veux faire une conférence à Hausa à tous les Chinois. C'est pas possible. <laughs> C'est pas possible, Là, on est d'accord, Fredo. Comment, comment est-ce que vous, avez pu gérer des situations de gourmet qui vous sont déjà arrivées antérieurement Bon, j'essaie de, de m'établir un calendrier. Je fais du sport, je lis pour essayer de m'évader. Je n'essaie pas de m'éloigner aussi de mes amis. Quoi. Quand on essaie de s'investir à fond dans une relation et tout s'en va d'un seul coup, et vraiment, ça, ça, ça, fait, ça fait mal. Babs, donne-nous des astuces et pour gérer un gourmet. <laughs> Je me dis, il faudrait peut-être lire beaucoup, lire surtout, chercher beaucoup de séries, manger. Manger là, c'est bon. Genre, gourmet, affaire de gourmet, ça te fait oublier gourmet ton plat préféré, tu le manges au moins une fois dans la journée. Moi-même, je mange quand je suis en gourmand. Moi, moi j'ai envie de vous raconter mon plus fort gourmand. Vas-y, Baptiste, lâche-toi. Les gens pensent que je n'ai jamais eu de gourmand, mais moi, le jour où j'ai eu gourmand, j'ai failli sauter de l'échangeur. Hein. Je suis parti m'amouracher avec une femme qui est de plus de 20 ans mon aîné. Franchement, j'étais là. Genre, on était en couple, on était heureux. Elle était là pour un travail au Niger en fait. Et là, on s'est aimé vrai, vrai, vrai. Moi, personnellement, je me suis investi. <laughs> Et après, je vois tu étais la bonne dame. tu étais un gigolo. Voilà. c'était pas un Il a aimé la dame sans qu'elle le sache. C'était pas une question d'argent, c'était vraiment de l'amour. Oui, mais elle le savait. Et après je lui demande, genre, si elle a dit à sa famille, moi je vais dire à ma famille. Elle dit, je vais dire quoi à ma famille Je dis, hi. J'étais seul. J'étais seul dans <laughs> la relation. Elle me dit. un match avec mais a <laughs> Elle me dit, mais moi, tu es comme un frère pour moi. <laughs> J'ai dit, hi je prends ma voiture. Non, heureusement. Mais écoutez, je vous explique. J'étais, j'étais vers Wadata en fait. J'étais vers le marché de Wadata là. Je dis hi, je prends ma voiture. Je viens à côté de Harobanda ici. J'ai dit ok, je vais comme dans le film. Je me suis rappelé, j'ai dit Babs, tu es le seul garçon de ta mère, faut pas sauter. <laughs> J'écris à mes amis, je leur dis venez, je suis en train de sauter. <laughs> L'argument est pour après, après, comment tu as fait Regarde, quand on, quand on te voit maintenant, tu, es tout hein. joyeux, tu as, tu as bah tout oublié. Bah oui, comment, comment tu as fait en fait Franchement, après, j'ai compris que c'est des trucs de la vie et tout. J'ai suggéré ça en écrivant surtout. Donc, en conclusion, à mettre un message à nos frères de qui vivent le gourmet. Il ne faut pas aimer quelqu'un plus que tu ne t'aimes. S'il vous plaît. Bref, concis et précis. Merci Ahmed. Donc avant de conclure cette émission, nous allons laisser la place à Olivier pour sa chronique du jour. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler du syndrome de notre époque. Dans l'aventure humaine, chaque être vit selon son époque son temps. Nos parents ont l'habitude de dire à notre époque, nous étions, à notre époque, le prix du bus était à tel prix, ou encore à notre époque, les femmes n'avaient pas droit à faire ceci ou cela. Et en face, toi, tu verras quand même une autre réalité. À travers les générations, certaines questions restent intactes, mais les réponses changent. Que ce soit dans les domaines de la science, l'éducation ou encore la santé, chaque époque a sa particularité. C'est ainsi que certains ont vécu le temps de la lèpre, et d'autres comme nous, nous avons vécu le temps de la Covid-19. Oui, chaque génération vit selon son époque. C'est en cela que le syndrome de l'époque n'épargne personne. Le syndrome de l'époque, c'est le fait que votre habitude soit influencée par votre actualité ainsi que vos comportements. Une simple observation de notre génération et de l'histoire de celle d'avant nous montre qu'auparavant, les femmes et les hommes étaient respectueux de leur intimité. Mais de nos jours, la recherche du buzz pousse les jeunes à exposer leur intimité sur les réseaux sociaux. Une exposition qui est dans l'air du temps. Et tout ceci n'est que le syndrome de notre époque. Amis auditeurs et auditrices, selon plusieurs observateurs, les faits qui se produisent aujourd'hui ne sont que l'effet des actions immédiates ou lointaines. Alors, sommes-nous victimes du syndrome de l'époque d'avant Je vous laisse répondre. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Et oui, les amis, les et Karewa Sawa. c'est ainsi que s'achève notre émission Tous à la Fada d'aujourd'hui. Nous avons parlé du syndrome du cœur brisé et comme l'a conclu Ahmed pour l'éviter, il ne faut pas aimer l'autre plus que soi-même. Nous étions donc sur cette émission avec Ahmed Bari, Babs Magaji, Zaza Mimosa, Fredo, Tare Zakari. Merci à tous d'être venus. À demain pour une nouvelle Fada avec Mira Rouafi et c'est toujours sur Studio Kalangu.